N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super, super bien. C'est à nouveau un très grand plaisir pour moi de me retrouver en votre compagnie et de partager avec vous une de mes recettes. Aujourd'hui, on va se réaliser une bouillie. Une bouillie de mille qui sera épicée. Donc voilà. Mais avant de démarrer cette recette, nous sommes en plein mois de ramadan. Donc je ne pourrais euh, commencer sans euh, souhaiter à tous les musulmans de la petite cuisine de Joséphine, à tous mes frères et sœurs musulmans, particulièrement à ma sœur d'une autre mère, Maïmou depuis la Côte d'Ivoire, à qui je dis euh, pieux mois de Ramadan, euh, Ramadan Moubarak. Euh, que Allah facilite ce Ramadan-là et qu'il donne à chacun et à tous les mérites ici et dans l'au-delà. Donc c'est fait, c'est dit, on va y aller. Pour notre recette aujourd'hui, pour notre bouillie de mille épices, on a besoin de farine de mille. Vous pouvez utiliser des graines de mille si c'est ce que vous avez. Mais lorsque vous utilisez les graines de mille, ce qu'il faut faire, il faut les trier, les nettoyer, les laisser tremper toute une nuit. Et puis avec votre blender super robuste, hein, pouvoir les écraser directement avec les épices. Nous, on n'a pas de graines aujourd'hui. On a déjà passé l'étape des graines. Ici, on a de la farine de mille. J'ai 250 g de farine de mille. Du gingembre des clous de girofle, du piment et je vais m'arrêter une minute ici. Là, c'est des graines de sélim, du poivre de Guinée. Je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous. Euh, nous, ici au Bénin même, je ne sais pas comment on l'appelle en fond, mais je sais comment on l'appelle en hidacha. Dans mon ethnie, on l'appelle oron. Donc voilà, euh, les épices, c'est facultatif. C'est comme vous aimez. C'est Vu la quantité également, c'est comme vous tenez. Vous pouvez mettre moins, vous pouvez ne pas en mettre du tout. C'est comme vous aimez. Donc là, c'est parti. Je vais venir mettre tous mes épices comme ça. Donc là, je vous présente mes épices écrasées. Euh, j'ajoute de l'eau. Ici, j'ai prévu un litre d'eau. Je pourrais en rajouter. Hein. Je pourrais en rajouter selon euh, comment ça fonctionne. Donc, je vais d'abord commencer par filtrer les épices que j'ai écrasées directement sur euh, la farine de mille. Donc voilà, je finis de filtrer mes épices. Je vais venir les mélanger comme ça. Je rajoute de l'eau. Hein. Maintenant que j'ai fini d'ajouter mon eau, je vais maintenant passer au filtrage. Je pose comme ça. Voilà. Ici, j'ai un bol, hein. un bol en plastique tout simple. Et puis, j'ai mis dessus le voile que je vais utiliser. Je l'ai noué pour que ce soit euh, figé, que ce soit plus facile pour moi. Il y a un peu de résistance pour me permettre de bien recueillir liquide. Donc, ce que je veux, c'est avoir quelque chose de très fin parce que ma bouillie, elle sera fine. Donc, pour ça, je viens filtrer. Donc, je commence par mettre un peu de mon mélange et à l'aide de ma marise, je viens mélanger comme ça pour faire passer, euh, je vais dire quoi, l'amidon du mille en dessous. Donc, quand ça deviendra très, très, très épais, je vais rajouter juste un peu d'eau comme ça pour rincer et puis continuer de filtrer. Donc je finis de filtrer, oups, attention, je finis de filtrer et puis je vous reviens. Là je finis, j'ai détaché mon le nœud que j'avais fait pour pouvoir me permettre de récupérer tout, tout, hein, je ne laisse rien, tout ce, tout ce dont j'ai besoin, je presse bien comme ça. Reste très très bien Donc voilà, je vous montre ce que j'ai obtenu aussi, le résidu. On appelle ça le chakiti, j'aime bien le nom. Hein. Chakiti, donc voici mon chakiti, je ne le jette pas. Hein. Je vais rajouter encore de la farine de miel dessus et je vais pouvoir me faire des boules, des billes de miel pour bouillir cette fois-ci. Donc voilà. Et maintenant, je vous montre ce qu'on a recueilli. Vous voyez, ça commence déjà par faire un dépôt. Ce bocal-là, je le trouve très très très grand. Je vais le transvaser pour le mettre dans un dans un saladier et puis on va le recouvrir et le laisser se reposer. Donc voilà, notre préparation pour Coco Baka est prête. Vous voyez, c'est quand même très très très fin. Je vais le filmer je vais les laisser reposer toute la nuit. Euh, chez nous, c'est une question de main, je vais dire, parce que chez nous, il y a certaines mains qui fermentent plus, plus vite que d'autres. Moi, j'ai une main qui fermente quand même assez vite, mais je vais laisser reposer une nuit. Ça dépendra aussi du, climat. Euh, si vous êtes dans un pays où il fait froid, euh, c'est sûr que ça ne mettra pas le même temps pour fermenter, mais l'idéal serait qu'il y ait ce petit goût fermenté dans votre bouillie, je vous assure. Là, ça sent très très très bon. Je filme et puis je laisse reposer tout ça. Voilà, on est le soir, donc rendez-vous demain matin pour une très très bonne bouillie. Prenez soin de vous, portez-vous bien jusqu'à demain matin et à demain. Ciao Bonjour et à nouveau bienvenue. Là, nous sommes au lendemain de la fermentation. C'est vrai que j'ai tiré un peu dessus. Je fais grâce matinée ce matin. Mais sinon, j'espère que vous êtes bien réveillés chez vous. Moi, je suis très bien réveillée. Euh, notre euh, préparation pour bouillie fermentée, vous voyez, a très bien fermenté. Vous voyez toute la mousse qu'il y a au-dessus. Je vais vous montrer comment ça a décompté. Voilà, on a toute l'eau et puis en bas on a notre amidon de mille. Donc là, il y a plus qu'une chose à faire, c'est démarrer la bouillie. Là, je viens comme ça euh, prendre mon eau. Voilà, juste l'eau. Vous voyez la pâte amidonnée que j'ai filtrée et que j'ai posé directement sur le feu. Donc je vais laisser bouillir. Pendant ce temps, je vais mélanger, euh, bien mélanger avant de réaliser ma bouillie. Euh, je vous explique. La bouillie, en fait, peut se faire de deux façons. Euh, généralement, les moments qu'ils font traditionnellement font bouillir l'eau et ajoute l'eau au mélange qui est ici, c'est-à-dire à la pâte directement. procède de la seconde façon parce que j'ai l'impression pour moi, tant que c'est pas fait sur le feu, que c'est pas suffisamment cuit, donc euh, c'est comme vous aimez. Moi, je vais mélanger bien cette pâte-là que je vais venir ajouter à mon eau bouillante environ une minute avant d'arrêter le feu. Donc voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à mélanger et attendre que notre eau boue et à pouvoir effectuer le mélange eau bouillante et euh, pâte de mie. D'autres on attend que notre eau bout et on va pouvoir se réaliser une très belle bouillie, très fine, lisse, épicée. Ça sent déjà très très très bon et ça va continuer de sentir bon. Voilà, mon eau commence à bouillir, il peut se former une écume que vous voyez. Je vais la récupérer tout à l'heure avec une passette. Je vous explique juste que cette bouillie là, vous pouvez la réaliser avec de l'eau plate tout simplement. Si vous utilisez l'eau en lieu et place, vous allez euh, diminuer l'acidité de votre bouillie. C'est libre à vous, c'est comme vous aimez. Mais moi je préfère quand c'est très acide, c'est pour cela d'ailleurs que je directement l'eau. Donc l'eau est en train de bouillir. J'ai prévu un peu d'eau au cas où euh, ma bouillie est trop épaisse. Donc là, je suis OK. Je vais baisser le feu pour ne pas que ça boue trop. Voilà, je vais baisser le feu et maintenant, je vais venir mélanger. Je mélange. J'utilise euh, le fouet pour ne pas qu'il y ait... Euh, vous voyez, là, c'est déjà en train de prendre. Donc vous voyez, là c'est suffisamment épais. Je vais ajouter de l'eau chaude, comme j'avais prévu. Et après, c'est comme vous aimez la texture de votre bouillie. Si vous voulez que ce soit très fluide, vous ajoutez plus d'eau. Mais là, je pense qu'à cette consistance, je vous montre. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, vous voyez comment elle est fine, elle est lisse. Miam, ça sent très très très bon. J'ai déjà arrêté le feu. Hein. J'ai arrêté le feu. Je n'oublie pas de venir rajouter à ma bouillie encore chaude un sachet de sucre vanillé comme ça. Ça c'est optionnel. Hein. C'est pour apporter un peu plus de parfum. Et voilà, c'est fait. Voici le résultat de notre bouillie. Miam. Là, ma bouillie est prête. Je vais la recouvrir comme ça, juste une dizaine de minutes. Ça me donne le temps de réaliser mon accompagnement. Aujourd'hui, je fais une pâte à beignet il y a environ deux heures. Elle a bien monté, donc on va passer à la friture de nos beignets. Donc voici ma pâte à beignet, vous voyez, elle a bien gonflé. Je mets la main dans l'eau pour venir la dégazer. Miam. Donc là, on met les choses comme il faut. je vais venir faire mes beignets. Donc voilà, mes beignets sont prêts. Miam, miam. Ça, Aujourd'hui, nous, on le prend en petit déjeuner, mais vous pouvez le prendre en goûter. Et il est idéal pour une bonne rupture de jeûne. Donc, euh, Maï, C'est aujourd'hui, c'est grosse pensée à toi. Grosse, grosse pensée à toi. Bon mois de ramadan à toi. Donc voilà, c'est le moment que tout le monde attend le matin, ce matin. Voilà, de la bonne bouillie. Regardez-moi cette texture. Miam Un très bon coco baka, comme on l'appelle. Un coco baka tout chaud, tout fumant. Des petits beignets. Euh, j'ai ici prévu des arachides. Euh, vous pouvez l'accompagner avec du pain sucré, avec euh, des beignets de mil. En tout cas, tout au Togo, c'est vendu spécialement avec les, les les beignets de mil. Donc aujourd'hui, on n'en a pas, mais on a les bons beaux ils sont là, nos flotto. Notre bouillie, je vais la sucrer tout à l'heure. Donc voilà. Voici donc présenter notre coco baka. Je vais venir sucrer. Ici, j'utilise du sucre roux. Vous pouvez utiliser du miel. Vous pouvez même rajouter du lait. Je vous assure. Un peu de sucre roux comme ça. Je mélange bien. Mon arachide ne me quitte pas, je vous assure. Tout à l'heure, je vais ajouter les graines d'arachide miam. J'espère vraiment que vous avez aimé partager le moment avec moi. Likez si vous avez aimé et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification pour ne rater aucun des rendez-vous de la petite cuisine de Joséphine. Sur ce, à chacun et à tous, je vous dis une très bonne dégustation. À toi, ma soeur Maï, très bon mois de jeûne. Euh, et puis, euh, à très très très bientôt pour un autre rendez-vous culinaire. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas appétissant, ça. Ciao